foo ñu gën a am jàppale quoi jàppale équipe nationale bi ndax yàgg nañ des fois day manqué day manqué ay wàllum condition yu bëri bëri bëri bëri bëri sax mais war nañ ñoo jàppale mais suñu ñu ngi ñu ngi gërëm suñu président fédération bi moom mu ñëw toog ba ñëw organiser lu ñu mel ni dañ koy sant di ko gërëm di ko remercier si lépp si bépp moyen bu mu def si ñun. démb sooy xool ñu ñëwoon ëppoon nañ feesoon nañ fii dell ñi ngi ñëw mais xam naa ñeneen yi dañuy xaar final bi pour ñu gën a ñëw ndax suba final la dimanche tamit final la quoi. suñu waxee équipe nationale suñu drapeau vert jaune rouge moo tax ñu ñëw ñu wax équipe nationale ñu ñëw tout ñëpp ñëw jàppale ñu ak dimbali ñu supporter ñu ñu mën a jël médaille jël première place tamit ndax ñoo organisé te moom la ñuy ñaan yàlla quoi. J'avais vraiment envie de représenter les couleurs du Sénégal et de les emmener au plus haut. Alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai pu atteindre euh, les finales des championnats d'Afrique zone. Voilà, maintenant, on ne va pas s'arrêter là, Inch'Allah. On va tout faire pour ramener la médaille d'or. Et même, l'objectif, c'est d'aller à Paris 2024 aux Jeux Olympiques. C'est vraiment, vraiment mon objectif principal emmener, emmener les couleurs du Sénégal au plus haut niveau. La préparation a été difficile, les coachs ont fait du très bon travail malgré le délai très court qu'ils ont eu. Et voilà, on a quand même eu énormément de résultats. Il y a beaucoup de finalistes sénégalais qui sont présents. Qui... Et j'espère que vous serez là pour les, pour les supporter demain et dimanche, Inch'Allah, en tout cas. J'ai débuté en, en 2018, donc euh, je n'ai pas été sur les rings autant de fois comme euh, la précédente, euh, notre capitaine d'équipe Maretou. Et ça fait un plaisir que euh, le Sénégal, organise et nous représentons aussi le pays dignement, Inch'Allah. Parce que récemment, on était à Sierra Leone pour les championnats d'Afrique et on était premier sur le plan niveau africain de l'Afrique de l'Ouest. Donc on veut carrément euh, garder le titre avec nous. Le niveau est très élevé, juste ce qui manque, c'est les mois. Parce que des fois, on est dans une très mauvaise condition. De ce fait, il y a les boxeurs, bon, ils ne sont pas très motivés à monter sur le ring et se donner à fond. Mais il y a d'autres qui sont là, ils se donnent à fond, ils ne pensent pas que, les moyens soient bons ou, mauvais. Ils sont toujours là, aptes à donner au fond pour la, nation. Il n'y a pas assez de public parce que c'est ici à Djamnadio et c'est très loin. D'habitude, si c'était à Dakar, il y aura tout le monde parce qu'il y aura l'accès, et, mais parce que c'est en ville. Mais ici à Djamnadio, il y a un peu, les moyens de transport ne sont pas très bons. Mais bon, on espère que la finale qui se joue demain et après-demain, on aura plus de public, Inch'Allah.